Diakité Ndialou Bachili, présidente de la commission santé de la commune de djepel delclé membre de la commission santé au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai organisé, d'abord, c'était une journée de plaidoyer pour l'accès aux soins et la promotion des mutuelles de santé dans la commune de djepel delclé vous, vous, savez tous qu'on avait lancé la couverture maladie universelle et aussi notamment les mutuelles de santé dans les communes. Donc il se trouve qu'au niveau de notre commune de dieppel on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un manque d'informations par rapport à, la connaissance de la mutuelle. Donc la population n'adhérait pas totalement. Donc c'était l'objectif aujourd'hui pour organiser une journée d'information et de sensibilisation autour de la mutuelle pour euh, parler de l'utilité et de son fonctionnement pour que euh, les personnes euh, vulnérables et toutes les personnes aussi puissent adhérer massivement à la mutuelle pour qu'on puisse, euh, euh, pour qu'elles puissent, ces personnes-là, bénéficier pleinement de la mutuelle, se faire soigner sans difficulté à moindre coût. Euh, l'autre objet aussi de cette rencontre, c'était de faire le lancement de notre association, dénommée l'association Synergie des Cœurs, qui a pour but de regrouper toutes les autres associations qui sont dans la commune autour de l'action sociale, mais surtout dans les domaines du social et de la santé, pour unir nos efforts justement, lutter contre euh, vraiment ces... Euh, lutter contre... Euh, les difficultés que nous rencontrons tous les jours pour se faire soigner. Vous savez qu'au niveau des hôpitaux, quand vous allez là-bas pour se faire soigner, même au niveau de l'urgence, si vous n'avez pas un certain montant, vous ne pouvez pas bénéficier de soins. C'est pour vraiment lutter contre ça que nous avons décidé d'organiser, euh, d'installer l'association pour euh, essayer d'apporter notre soutien, notre assistance à toutes ces populations-là qui ont besoin d'aide pour se faire soigner, pour, euh, accéder à ces structures de santé nous allons réunir tous nos efforts, nous et les associations qui sont dans la commune, pour vraiment faire le plaidoyer et œuvrer pour l'accès aux soins de la population, aussi bien au niveau de Diopol et dans, la, dans le pays, euh, dans le cadre général. Nous avons ici le poste de santé qui est juste à côté, mais qui n'a pas la capacité d'accueil adéquate. Donc euh, normalement, ça devrait être un centre de santé, vu la population maintenant, parce que le poste de santé date de longtemps. Aujourd'hui, vu la population, le poste de santé ne peut plus accueillir. Si vous, on a besoin d'aller dans un centre de santé, nous sommes obligés de, nous rabattre à Moundou qui se trouve à Liberté, ou bien à Gaspard Camara, ou bien au niveau de Nabichouker. Donc c'est un manque réel. Nous avons déjà porté le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons continuer à porter ce plaidoyer-là pour qu'il y ait un centre de santé au niveau de la commune de Djokol Derclé. Ce sera aussi l'un de nos combats euh, en ce qui concerne l'association qu'on va créer pour, avec les autres parties prenantes qui seront dans la commune pour essayer de faire le plaidoyer pour qu'on puisse avoir un centre de santé ici dans la commune de diopol Derclé pour que les habitants de Djepol Derclé puissent bénéficier d'un soin à, temps réel, voilà, pour qu'il n'y ait pas à sortir de la, de la commune. Ça aussi, ça fait partie de notre combat. Aujourd'hui, nous avons enrôlé pour le début et le lancement 15 familles. 15 familles dont chacun et chaque famille est composée au minimum de 3 personnes. Voilà, donc ça tourne autour d'une cinquantaine de personnes qu'on a enrôlées totalement, qui pourront bénéficier euh, de la couverture euh, sanitaire dans la de santé de dieppe Derclé pour un an. Et nous comptons continuer, nous n'allons pas rester là. Et nous avons euh, enrôlé plusieurs associations. Il y a l'association des handicapés de dieppe Derclé, il y a les autres associations aussi qui sont là et qui sont tous représentées dans leur enrôlement. Et c'est un geste qu'on fait avec plaisir, mais qu'on va continuer aussi pour les autres associations dans les jours à venir au nom de l'association Synergie des Cœurs. Euh, pour l'instant, nous sommes au lancement. Nous n'avons pas déterminé euh, le droit d'adhésion et le règlement intérieur parce que nous attendons les autres arrivants. Les autres adhérents qui vont venir, nous, ensemble, nous allons déterminer quelque chose. Sinon, nous, on aurait pu créer tout et venir leur proposer ça. C'est parce que nous avons voulu l'ouvrir à toutes les autres associations, à toutes les autres personnes et bonnes volontés qui voudraient bien venir nous rejoindre parce que nous voulons vraiment lancer un élan de solidarité nationale pour qu'on puisse ensemble, dans l'association Synergie des Cœurs, euh, euh, former une solidarité pour lutter pour, pour la promotion de la santé et du social. Donc les autres adhérents qui vont venir ensemble, nous allons déterminer les conditions d'adhésion pour ensemble euh, construire quelque chose au niveau de la commune de Diopol d'Erclé et cheminer ensemble. C'est ça l'objectif. C'est Madame Aïssatou Diak. je suis leen di nuyu santam ngeen ñëw fekk ñu mairie derklé li waral que bi honorable Ndialou Bathily moom moko ko organisé organiser ko dajale ñëpp wo ñëpp parce que sommes dafa de présidente commission santé au niveau de la mairie ak représentante commission santé au niveau de l'Assemblée nationale. donc mon tey jii orienté bi nous ñu wat population bi ñu avons ni ci seen commune ay mutuelle yoo xam ne war nañ faa mën a bindu faju ndax faju moom dafa nekk benn benn benn problème boo xamante ne tey jii kenn ku nekk doo ñaan yàlla sax feebar ndax faju daa diis léegi nag kenn ku nekk ñu woola la yëgal la ko xamal la ko pour boo delloo nga doon ambassadeur fi nga dëkk ak sa biir famille ak sa gox xamal leen ni biir commune yi ndeke am nga possibilité yow ak sa famille ñëw dugg ci sa biir mutuelle ñëw inscrire sa famille ak keneen koo xamante ne bëgg nga koo sax jàppale te nekkul sa biir famille nga ñëw faju ngeen ñëw daal di inscrire bindu bu ko defee ñu accompagner leen jàppale leen bés bu jafe-jafe teewee. loolu moo doon premier point bi nga xam ne moom moo waral woote bi fii ñu daje fii deuxième point dañuy dañuy profiter sànniwaale benn association boo xamante ne dafa tudd synergie des cœurs synergie des cœurs li ko tax a association yi dañoo bari tas ci gox-goxaan bu ko defee ñoom ñëpp àndaale ak ñun fee dañu wax famille ak sa njaboot waaye bii association mooy ñëw dugg ci biir association ñu boole suñu doole mbooloo mooy doole bu ko defee képp ku adhéré ci association boo duggee ci biir association bi duggaat synergie des cœurs foofu la doole gi di gën a bare pour ñu mën a jàppale encore population bi gën a yaatal faju tamit gën a yomb ci population bi ndax encore une fois li ñuy wax toujours faju problème la nit ñaa ngi tëdd di nelaw ak seen i feebar ndax xamuñu fu ñuy orienté léegi nag bu ñu amee lii am information bi kenn ku nekk teew fii bu fi génnee tasaare ko bu ko defee boo jógee ku nekk di nga xam fan ngay jubal pour mën a dem ñu informer la ci wàll boobu loolu moo waral tey daje bi ñu woo leen fi ngeen teewee ko seedeel ñu ko tasaale ñu ko ci réew bi yëpp incha allah. tey ñaata tey enrôlé nañu ci biir euh, commune de euh, Derklé Jëppal Derklé quinze njaboot fukki njaboot ak juróom yoo xamante ne kenn ku nekk papa yaay juróomi doom boo ko wàññee mat na cinquante. personnes yoo xamante ne bu seen carnet génnee rek war nañu mën a tàmbalee faju xam nga loolu kon bu ñu jógee fii tey am 15 njaboot bu ñu jógee fii ba yaatal kon war naa mën a balaa fii ñu naan weer dajal ak yaatu ba ku nekk xam ni kat lii xaw ma ko woon waaye mi ngi fi woon loolu lañu am yaakaar. amul nombre d'adhésion pour commencer effectivement activité bi la adhé adhé adhé commencé nañu. maanaam daf fi nekkoon te euh, xibaar bi tasul woon jàllul woon ñu xam ni kat war nañ koo njëkk a commencé tasaare nit ñi commencé ñëw léegi bu ñu bu ñu jógee ci nit ñi nga xam ne njaboot njaboot biir kër yi dañu koy yaatal dugg ci jotaay yi hmm. GIE yeeg association yeeg ñiy liggéey te nekk ci gox-goxaan yi nga xamante ne jaaruñu ci ay assurance jaaruñu ay leneen ñu xam ne am nañu possibilité faju ci seen gox ci seen gox tàmbalee ci seen biir commune loolu la amul nombre bu ñu soxla population bee ko moom ñëpp kenn ku nekk sa gox am nga fi représentation bo fa démé li nga mëna dugg xamni sa njaboot mëna dugg waye groupement bi ngay liggéey mëna dugg tailleur bi ci koñ beeg apprenti ya muy liggéeyal ña nekk ci koñ ba yore sen euh, euh, euh, garage menuisier yore s'en xalé di liggéey fofu buñ ko xamul won menuisier chef menuisier bi bu duggee yóbbaale 18 xalé yi nekk fofu xéwal la ah. waaw waaw lolu ci ben combat la boo xamante ni dañ koy mëne parce que nit ñi bu ñu amul information yi war bu ñu jógee dañuy tasaaroo waaye fi ne nii boo leen dajaloo ba ñu commencé di ñëw ci gox bi may doole poste bi nga xam ne moo fi nekk bu yàggee dana jëm ca kaw ca kanam ba ñu am centre de santé bu yaatu niveau un niveau deux niveau trois bu ko defee nga mën a yem ci sa gox parce que ma feebar sax boo ko defee yem ci sa gox dafa gën te dara daa gën a noppale mais ñi nga xamante ne ñooy feebar di jublu ci seen gox li ñu leen fa tegal mu tuuti ñoo koy mën a yaatal ñooy tax ëllëg ak si biir lu ñu mën a laaj lu ñu bëgg a laaj rek dina ñaa am nañ fi nombre bi am nañ fi nombre bi dañ leen ñaan ngeen yaatal ko bu ko defee dana gën a yokk gën a jëm ci kaw ci kanam ci suñu yéene ak jàppale population bi incha allah